Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore à notre sondée des Écritures, un moment opportun où le Seigneur, à travers sa parole, nous instruit, nous conduit et nous élargit et nous illumine surtout sur les pas que nous devons suivre. Aujourd'hui, nous sommes encore sur notre étude. Alors nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait pour aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui et il va nous guider dans cette étude. Nous avons commencé depuis l'étude de Genèse et nous avons maintenant sur l'étude sur le livre d'Exode. nous avons commencé depuis le chapitre 1 et aujourd'hui nous allons aller sur le chapitre 20 jusqu'au verset euh, jusqu'au chapitre 31. Alors nous allons prier avant d'y aller. Prions, Père, nous te remercions, nous te refions aujourd'hui. Te exhortons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons, Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu amoureux. Tu fais des grandes choses selon ta parole. Nous prions, Seigneur, qu'à travers cette étude aujourd'hui, Seigneur, nous allons l'écouter selon tel que tu veux que nous allons l'appliquer et mettre tout, Seigneur, cette étude en pratique au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, conduit dans cette étude. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Nous avons vu vraiment que dans l'étude précédente, nous avons vu comment Dieu a donné à Moïse les instructions spécifiques euh, sur les constructions du tabernacle. si la présente étude se concentrait sur les instructions spécifiques pour fabriquer des vêtements, surtout euh, sacerdotaux, euh, et la consécration des prêtres, la construction de l'autel, de l'encens et même euh, la cuve pour le lavage, la composition de l'île d'onction ainsi que la régulation euh, le jour du sabbat, en outre, sont les prêtres qui exerçaient leur ministère devant, euh, devaient être consacrés dans, de, avant de recevoir les règlements qui guiderait leur ministère ou bien leur ministre. Alors, le, le tabernacle doit être encore euh, une place ou bien un lieu dans, devant les prêtres, devant les pasteurs, devant les lieux qui y exerçaient les ministères. C'est-à-dire, Dieu met les choses en ordre selon tout ce qu'il fait, selon dans 1 Corinthiens, 14, euh, verset 1, verset 4 plutôt la Bible qui disait que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie comment l'Église. Voilà, c'est ça qui est tellement important ici. Alors, euh, comme nous venons aujourd'hui sur euh, l'étude l'institution du sacerdoce, l'institution du sacerdoce, l'établissement du sacerdoce, nous allons voir notre verset à mémoriser qui euh, va se trouver dans verset à mémoriser qui sera dans le livre de Exode chapitre 30, le verset 31. Exode 30, chapitre le verset 31 qui dit Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu oindras, tu Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Lisons dans euh, Genèse, euh, plutôt Exode chapitre 20. 8. Exode chapitre 28, nous du verset 1. Fais approcher de toi, fais approcher du roi, euh, de toi, Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les uns parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le Sadoz. Après, et les fils, et les fils d'Aaron, Nadab, Abiu, Eliezer et Atmar, tu feras à Aaron ton service, ton frère, tes vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils et feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront un pectoral, un éphode, une robe, une tunique bordée et une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron et ton frère et à ses enfants. Et enfin, qu'ils exercent mon d'os. ils emploient de l'or, des étouffes teintes et en bleu, en pourpre, en cramoisi de fin lin. Ils feront effade euh, d'or et le fin bleu, pourpre et la cramoisie de fin lin restaure, et Il sera artistement travaillé. Gloire à Dieu. Alors nous voyons ici comment le Seigneur vraiment fait ses travaux, fait ses travaux plutôt. Alors nous voyons ici que dans ces choses que nous voyons, les prêtres étaient consacrés avant les règlements, euh, devant les règlements qui régiraient leur ministère. Alors, leur, dans, dans les nouveau, dans le Nouveau Testament, dans les, pour les croyants du Nouveau Testament, euh, ils, devaient faire comment D'abord être consacrés à Dieu oui, pour rendre leur service acceptable. Parce que la Bible dit que nous devons être comment euh, On doit se donner complètement à Dieu. Si on regarde dans euh, le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, quand nous lisons à partir du verset 1 et 2, Romains 12 à partir du verset 1 et 2, il dit que... Et, je vous, exhorte donc, je vous donc, frères, par les compatitions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. voyez, les enfants d'Israël en ce moment où Dieu a demandé à, euh, Moïse de choisir Aaron et ses fils pour qu'ils soient comment des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des prêtres pour servir euh, le peuple d'Israël en ce moment pour le, sur le lieu de l'autel. Et il a demandé certaines qualités de. Il doit avoir certaines qualités, certaines qualifications, certains objectifs. Et cela devait être la sainteté et la pureté dans leur vie. Et ce qui devait être les caractériser, ou ce qui devait être leur vie et leur nature, avant que Dieu puisse faire comment les accepter. Vous voyez, c'est juste pour laquelle aujourd'hui, nous regardons. Aujourd'hui, nous regardons quoi Nous regardons aujourd'hui euh, l'institution du sacerdoce l'institution du sacerdoce. Donc, euh, sur l'institution du sacerdoce, l'institution du sacerdoce, avant euh, d'y aller, nous allons considérer trois points. Le premier point, nous allons parler de le choix des vêtements et la consécration des souverains sacrificateurs quels étaient les vêtements de ces souverains sacrificateurs et quelle était leur consécration, quelle devait être leur consécration, leur dévotion, leur, se donner complètement, dévouer à Dieu complètement. Point numéro 2, on verra la communication et la communion avec la puissance divine. La communion et la communication avec la puissance divine. Et le point numéro 3, on verra l'appel et le don euh, proportionnel pour le service d'appel et le temps proportionnel, pour proportionnel pour le service. Revenons au point numéro 1 qui est au point numéro 1 qui est le choix des vêtements et la consécration des souverains sacrificateurs. Revenons à Exode chapitre 7. voyez, quand nous regardons dans Exode chapitre 7, ou bien regardons dans Exode chapitre 7, on voit ce que le Seigneur avait dit. Il avait donné l'ordre dans l'ordre à Moïse. Mais revenez même, avant d'y aller, avant de lire dans Moïse, euh, et chapitre 7, lisons Exode dans chapitre 28, notre texte, à partir du verset 1. Exode chapitre 28, lisons le verset euh, 1. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Enfin, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Etimar, tu feras à Aaron ton frère tes vêtements, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité, pour lui servir de par eux. Tu prendras à tous, tu parleras à tous ceux qui sont habillés, ou bien ceux qui sont habiles, à ce qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un effort, vous voyez. Nous avons un pectoral, premièrement, un deuxièmement, une robe, troisièmement, une tunique euh, brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Vous voyez, ils emploieront de l'or, les étouffes teintes en bleu, en pourpre, en une moisie, de fin lin. Ils feront le faux d'or, de fil bleu, et pourpre de cramoisi, enfin euh, de fin lin et de rétor. Et il fera de artitement travaillé. Vous voyez, ceci cela. Donc, ils sont, c'est ça de créer les vêtements. Comment Hitler, quel, devait être les vêtements que Pharaon et ses fils devaient, étant comme souverain sacrateur quel devait être l'habillement Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils devaient porter. Alors le Seigneur les a donné Qu'est-ce qui devait être leur habillement Le Seigneur les a donné. Quel devait être leur habillement Comment ils devaient porter nous regardons dans un chapitre, Dieu a donné à Moïse de consacrer Aaron et ses fils à l'office du sacerdote sacerdotal, bien l'office sacerdotal. L'humilité d'Aaron est également louable donc nous voyons que quoi En tant que prêtre, il devait faire comment Fonctionner sous la direction de son frère aîné. Moïse a également été chargé de son frère cadet. Il était également chargé de faire des vêtements saints pour Aaron et ses fils. Ces vêtements étaient pour la gloire, la beauté, la sainteté, l'honneur et la majesté divine. Vous voyez les caractéristiques, qui caractérisait ces vêtements. Ces vêtements devaient être comment Devaient servir pour ça devait être comment Pour gloire. Ça devait être pour la beauté. Ça devait être l'honneur et la dignité divine. Cependant, regardons aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui, notre dispensation, nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, nous dans le Nouveau Testament. Aaron et ses fils, c'est dans l'Ancien Testament. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, les croyants en paraît extérieurement être des vêtements de salut et de la robe de justice. Voyez, nous aujourd'hui, on ne porte pas des habits physiques qui doivent euh, notre apparence physique seulement, mais au-delà de ça, nous devons montrer une attitude, une vie qui est comment saine, pure, euh, sans péché ni ride, qui est pure au-dedans et au delà dehors. C'est ça. Est-ce que qu'est-ce que le, prêtres prêtre, qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que le prédicateur, qu'est-ce qu'il doit porter. Est-ce qu'il doit être extravagant, il doit porter plus. Ce qu'il porte doit glorifier le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Les vêtements du grand prêtre ainsi que ses responsabilités étaient clairement définis. Les habillages doivent correspondre au boulot qu'ils occupaient. Leurs vêtements se C'est ces vêtements qui devaient porter. Et c'est ces vêtements, c'était la destruction de ces vêtements qui devaient porter. Mais d'autres éléments d'habillage sont le roi, le mitre. Il doit avoir un bonnet en forme de de couronne pour la tête portant l'inscription. Et sur la tête, sur le chapeau là, hein, qu'ils devaient porter sur leur euh, euh, euh, tête, et, et, ça avait cette inscription avait cette inscription sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Ça devait être inscrit sur ses, leur chapeau. Maintenant, quel était le but de cette inscription nécessaire Le but est de souligner que quoi La sainteté la, était, de souligner comment l'importance, la nécessité, vous voyez, de la sainteté, non seulement pour le souverain sacré lui-même, aussi pour la congrégation. C'était pour insister que la sainteté est la nature du Seigneur Dieu. Christ est saint, les anges sont saints, Dieu même est saint, son lieu est saint, sa demeure est saint. Alors ses serviteurs doivent aussi comment être comme une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus du celui qui vous a appelé des ténèbres à quoi À son admirable lumière. Dieu. C'est ça la première chose. Deuxièmement, il s'agit de faire comprendre une prêtre, ou comprendre aux prêtres que eux-mêmes l'ampleur, la profondeur et l'importance de leur mission. C'est tellement important voir la sainteté, la pureté entre les servants et entre le serviteur lui-même, le leader. Allons-y au point numéro 2. Au point numéro 2, on voit quoi La communion et la communication avec la puissance divine. La communion et la communication avec la puissance divine. Regardons l'Exode, chapitre. Exode chapitre 30. Euh, 30. Et peu 30. Le verset 1. Tu feras un auteur pour brûler des parfums et le verra de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée et tu seras, et il sera carré et sa hauteur sera deux coudées. Voici, on parle de comment il parlait de comment le Seigneur voulait que sa, son tabernacle soit fait. Soit fait. après l'instauration du, du, sacerdoce, des prêtres, du sacerdoce, Dieu a donné les instructions de Moïse à Moïse de faire comment De faire l'autel de l'Ancien Testament. C'est ça que nous avons vu là-bas. Et après cela, on l'appelle aussi l'autel d'or. Parce que quoi La direction de Dieu était que Moïse le superpose avec de l'or pur. C'est on l'appelait comment L'autel pur, et euh, l'autel d'or. Non. L'encens représente quoi Quand nous disons ici, signe, on voit qu'il y a l'encens. L'encens représentait quoi La dévotion des saints. La dévotion des saints. le, service des saints. Qui va La service des saints, les prières des saints. dans les prières sont placées quotidiennement devant Dieu. De plus en plus, le fait qu'Aaron brûle dans des doux matin et soir montre que dans, on voit aussi on voit l'incense doux doux on disait qu'on a dit l'incense doux et soi Que cela montre, que cela signifie. Cela montre que les croyants doivent être constamment dans leur prière. La Bible nous dit dans 1 chapitre 5, verset 6 quoi Prier sans comment cesse. L'autel, l'autel des saints placé directement devant l'alliance représente comment représentait la présence de Dieu dans les croyants. Sorry, la présence de Dieu, désolé, je répète encore ça. Je dis que euh, euh, euh l'autel d'essence qui était placé directement devant l'alliance, cela représentait quoi Cela représentait la présence de Dieu avec les croyants et même son assurance de répondre à, à toutes leurs prières. Donc, l'odeur aromante ou bien adorante qui montait du sein des saints signifie les prières des croyants qui montent vers Dieu au ciel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à entendre et comprendre vraiment ces écritures. On voit que on lorsque tu conduiras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'éternel. Qu'est-ce que nous appelons de ce que je viens de, de voir ici On nous a dit cela dans Exode chapitre 30, verset 12. Nous apprenons ici que Dieu exige quoi La responsabilité. Dieu exige la responsabilité. Dieu exige la responsabilité. Ce que Dieu exige. Nous apprenons ici que Dieu exige la responsabilité. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe Premièrement, les dirigeants de l'Église doivent être diligents pour connaître l'état des choses au sein de leur congrégation. Étant en dirigeant, pasteur et un leader, tu dois être à mesure, d'être dirigeant pour connaître, éveiller, pour connaître quel est l'état des choses au sein de ta, congrégation. Deuxièmement, chaque homme doit donner une rançon, c'est-à-dire son quota. C'est un hommage rendu à Dieu en renaissance des bénédictions reçues et du soutien du culte divin. La radio dans ceci est tellement important à chaque de Dieu de le faire, de le faire, de le faire. Aucun n'a été exclu du paiement de la rançon, des taxes. Et ce qui signifie que tout le monde est égal à ce qui concerne le besoin de, règle de rédemption. Les richesses ont autant besoin, les riches ont autant besoin du Christ que les pauvres. La Bible nous dit dans Exode chapitre 32 verset 15 que quoi les richesses, les riches ne donneront pas plus et les pauvres ne donneront pas moins d'un demi shekel quand ils feront une offrande à l'Éternel pour faire une expiation pour vos sangs. De plus, l'obéissance à l'instruction de Dieu enlève la peste parmi son peuple, la mort, tandis que la désobéissance attire la colère et le jugement divin. Je prie que le Seigneur nous aide à des enfants obéissants à Dieu au nom de Jésus. Dieu a donné Moïse de faire, a recommandé à Moïse de faire comment une cuve de rein pour les souverains sacrificateurs, les prêtres puissants, s'il vie et celle-ci devait être placés près de la porte du tabernacle. C'était pour leur enseigner la purité dans tous leurs comment services. Les croyants d'aujourd'hui que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire Nous n'avons pas besoin d'un lavage quotidien à l'eau avant de pouvoir rendre un service acceptable au Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à la foi pour à la croix pour notre salut et notre purité. Au contraire, nous nous approprions son sacrifice en nous consacrant à lui, en renouvelant quotidiennement notre esprit dans la volonté parfaite de Dieu et en vivant à nous. à Moïse dit Sache que j'ai choisi Barcidel, fils rire, fils rire et de tribu du judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes choses d'ouvrage. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travail d'or, d'argent et de rien, de graver les pierres à chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le voici, je lui ai donné pour aide Holiab, et fils Ahisamak de la tribu de Dan. J'ai dans de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux-ci, de, ceux, de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce qui je t'ai donné, je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriétaire qui sera dessus et tous les états de la tente table et ses ustensiles, le chandelier d'or pour et tous ses ustensiles. Gloire à Dieu. Ainsi, on voit la discussion pour comment les choses de service devaient aller dans l'Église. Donc, on voit ici comment que Dieu se dirigea vers la conclusion de ces divers instructions à Moïse sur la montagne où il avait 40 jours, Dieu a appelé à Aaron hors du peuple et sur la montagne. Il a, passé plus de 40 jours, 40 nuits et Dieu lui a donné le commandement, les instructions comment le tabernacle doit se construire, tout ça Donc Dieu voulait finir, il était vers la fin de ces 40 jours, 40 nuits. Alors que cela avait donné, il, a, il révéla à Moïse la, la description détaillée et le plan du tabernacle, comment il devait le construire. Alors, Bézalul et Aholiab ont été chargés pour de prendre comment en charge la construction proprement dite. Cela montre de quoi Premièrement, il n'y a pas de monopode. Vous voyez cela Cependant, cela montre qu'il n'y a pas de monopode. Il n'y a pas de monopode. Ça dit quoi Du don. Le don que Dieu te donne, c'est pas toi seul puissance et même de la sagesse de Dieu. Dieu donne à tous selon la mesure de la grâce. Deuxièmement, Dieu ne veut pas que ses serviteurs travaillent isolément. C'est pourquoi il donne celui-ci à ceci, celui-ci à ceci, pour que vos dons soient complémentaires. Dieu, peu importe à quel point ils sont doués et talentueux, ils ont besoin de l'aide des autres pour accomplir comment leur dessein. C'est vrai, nous, tout ce que nous faisons, on a besoin de l'un à l'autre. Quel que soit ton don, quel que soit ton talent que tu fais dans l'église, tu as besoin d'autres personnes afin de pouvoir l'exercer, afin de pouvoir de, de, de, de les écouter. Troisièmement, il a choisi des personnes pour faire le travail afin qu'il n'y ait pas de contestation, c'est-à-dire de, de, de querelle, d'envie, de comparaison charnelle sur quoi La prétention. Dieu est le dispensateur de tous les dons dont on possède. Bon. l'huile et Aholiab étaient doués dans l'habileté de l'exécution. Alors qu'est-ce qu'il a fait Aaron et ses fils ont été appelés à la quoi à la à la sacerdoce et Moïse était le chef général. Nous apprenons donc que les dons et les appels diffèrent. Faut on, doit, savoir ça. On doit savoir que les dons et les, les appels sont différents. Que nous soyons doués ou appelés ou les deux que nous les avons, il ne devrait pas y avoir de place pour la fierté, mais l'humilité et la volonté de se soumettre au leadership et de travailler les uns avec les autres de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire au nom de Jésus. Les talents et les capacités ne suffisent pas pour prospérer dans le ministère sans l'Esprit de Dieu. Si Dieu a immédiatement donné l'ordre que le tabernacle soit mis en place pour son service, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a rappelé aux enfants d'Israël de commandement pour les sacrificateurs du sabbat. Lisons dans Exode chapitre 21, le verset 13 jusqu'au verset 17, à lui dit que Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Vous ne manquerez pas d'observer d'un sabbat, car je serai, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, ainsi auquel on connaîtra que je suis éternel et que vous sanctifiez et, qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Ce qui le, profanera, sera puni de mort. Et celui qui verra quelque ouvrage le jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Oui, et à la fin, il a dit quoi Car ainsi sujet l'Éternel a fait des cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Gloire à Dieu. Cependant, qu'est-ce que nous voyons ici On voit que les croyants du Nouveau Testament ne doivent pas observer comment le sabbat, ce qui est le samedi. Les croyants d'aujourd'hui, les croyants du Nouveau Testament, nous, nous ne devons pas observer, observer comment le sabbat. On ne doit pas observer le sabbat qui est le samedi. Mais plutôt, on doit observer quoi Le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est quoi C'est le dimanche. Pourquoi cela Pourquoi Premièrement, parce que la résurrection de Christ a pris le premier jour, a eu lieu le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Le septième jour de la semaine, qui est le sabbat, c'est samedi. Mais le premier jour de la semaine, le premier de la semaine, c'est dimanche. Et le jour là que Christ a, a été réservé. À, à, la résurrection. Deuxièmement, raison pour laquelle nous devons plutôt adorer Dieu et observer comme euh, Dieu a donné est les croyants de l'église primitive dans, la, l'acte se sont réunis pour le culte le premier jour de la semaine. C'est le jour-là qu'ils se, se réunissaient pour rompre le pain. Troisièmement, l'apôtre Paul a commandé aux premiers croyants d'apporter leur offrande ce jour-là, c'est-à-dire ce premier jour de la semaine qui est dimanche. La raison pour laquelle, quelques raisons pour laquelle on doit plutôt honorer et doit plutôt observer le, ce jour. Alors, comment que le Seigneur donne ces choses pour que nous puissions obéir à tout ce qu'il qui nous donne. On ne doit pas faire les choses comme nous le voulons, non. Par conséquent, les croyants doivent sanctifier le jour du Seigneur. Nous ne devons pas nous engager dans un travail personnel ou laïque ce jour-là. C'est-à-dire le dimanche, on ne doit pas aller au le travail, faire quelque chose. Non. Sauf ceux qui effectuent des tâches essentielles et dont l'emploi implique des services d'urgence. Si vous travaillez dans un lieu où ce service-là euh, exige du service vraiment d'urgence comme les, ceux qui sont dans l'hôpital, comme ceux qui sont dans l'hôpital, les, docteurs, par exemple, les militaires, ces jours-là, vous êtes en sur et vous savez qu'ils sont pour la sécurité, ils sont pour la, sauver la vie, d'autres choses là. Donc, tu ne veux pas dire que celui-là, le jour du sabbat, alors je parle. Si vous êtes en devoir, vous devez aller. La Dieu. Donc, on doit savoir que c'est un jour saint. C'est un jour saint. Et nous, nous engageons pas dans les activités spirituelles. Ce jour-là doit être quoi On doit s'engager dans les activités spirituelles. Telles que quoi Telles que l'adoration du Seigneur, telles que l'évangélisation et d'autres bonnes choses devons aussi nous assurer de donner du repos à notre corps et de sanctifier le jour pour le Seigneur. Dieu même qui est Dieu a travaillé cette jour et il a resté le, septième jour. Ça dit que Dieu nous montre que le repos est tellement important pour notre corps. On travaille, on travaille, on travaille, nos corps ne sont pas des machines. Et un jour, au détriment comme ça, on se compte. et reste, dort et fait le la vie ravitailler un peu et renouvelle le corps pour que la semaine tu commences, tu continues encore. Tellement important. Regarde ce que le Seigneur dit dans Exode 31, le verset 18. Et lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna des deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors, Dieu a donné à Moïse des tables de pierre pour préserver les annales. Pendant comment C'est-à-dire qu'il voulait préserver le registre pour préserver ce qu'il a écrit. Pendant longtemps, afin que les générations futures d'Israël puissent s'y référer. Il voulait mettre ça pour une référence future. Qu'est-ce que nous apprenons de cela On apprend que quoi les croyants ont le privilège d'avoir des Écritures, la parole de Dieu qui a été écrite. Si on le regarde dans premier chapitre 15, verset 4, on dit Or, or tout, ce qui a, tout ce qui a écrit d'avance l'a été pour notre, institution, euh, notre instruction. Nous lisons dans la Bible des, des, des, histoires de ce qui s'est passé. C'est pour notre comment instruction, notre apprentissage c'est pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolidation que donne les Écritures, nous possédions l'expérience. La radio. De plus, Christ a expié, a pour nous la nouvelle alliance et les lois de Dieu sont écrites dans le cœur de ceux qui sont convertis et sont guidés par son esprit. Car c'est l'alliance que je ferai dans la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. voyez ce que j'ai dit. Il dit, je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple et ils n'enseigneront pas à prochain et à tout temps son frère en disant Connais-tu le Seigneur Car tout me connaissent, de plus petit ou grand. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider vraiment à marcher selon sa volonté et à faire ce qu'il veut que nous fassions. Je dis quand nous venons d'avoir ceci, l'institution de sacerdoce, Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire Comment nous devons prendre notre corps Comment nous devons le servir Comment nous le servons Quel jour devons-nous servir le Seigneur Quel jour Est-ce que servir le Seigneur dans l'ignorance nous, Quand nous devons prendre notre corps et qu'on devons le servir dans la purité de la sainteté, dans, de la gaieté, dans, toute la sainteté de, son, de notre corps, dans toute partie de notre vie, pour que le Seigneur soit content de nous et qu'il donne la grâce au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est très grand et il a écouté tous nos prières. au nom de Jésus. Prions. Regarde ta vie. Est-ce que tu es avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a oint pour le servir? Tu, tu évangélises? Quel est ton habillement? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Tu glorifies le Seigneur dans tout ce que tu fais. Et tout ce que tu as fait, le Seigneur dit le Seigneur t'appelle. Viens vers lui et il te recevra au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette étude. Nous prions, Seigneur, conduis-nous et aide-nous, Seigneur, à avoir de plus ce que tu veux que nous fassions. Que, Seigneur, notre, non seulement la sainteté externe de notre corps, mais, Seigneur, que la sainteté, Seigneur, intérieure, soit à nous au nom de Jésus. Nous prions que tu nous aides à pouvoir, Seigneur, laisser que ces, ces vêtements qui montre la purité, la sainteté pure de nos corps, soit notre vie au nom de Jésus. Seigneur, donne la sainteté, que nous soyons comme les serviteurs pieux, serviteurs sans péché ni limite, qui va nous aider à amener au ciel au nom de Jésus. Nous te remercions car Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.